mon livre, euh, voilà, ah, à lire. <laughs> Je, me suis dit, <laughs> ben facteur règle me donne, élément perturbateur du moyen. Je Aïcha. Un élément nouveau de la journée. C'est ça, qui réapparaît dans ma vie. Parce que pendant tout ce temps, j'étais au calme, voilà. Mais <laughs> naturel, naturel, donc quoi. Alors, nous, mock tes spectateurs, mm. euh, aussi, euh, voilà, c'est un plaisir de vous trouver. Aïcha, Rougui. Euh, alors, Fadilou, Dikodalal, Dalal notre jeune écrivain et poète, euh, voilà, de wax fan la diar pour écrire ce recueil de poèmes. Exactement. Parce que quand même, euh, voilà... C'est à féliciter. Voilà, c'est à féliciter. et puis, euh, exemple aussi pour mm-hmm. les jeunes qui mm-hmm. veulent écrire, comment écrire. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut écrire. Exactement. Voilà, man, je suis... li ma li ma li ma maturité bi. nek ci ci texte vocabulaire bi dañu wax un peu Fadilou fan la jaar donc voilà. ci kanam lay ci kanam Exactement. Alors, euh, Aïcha Touré, toi, tu stresses aujourd'hui. Yo, lala. Man Lala. Man, je stresse pas. Lala. <laughs> <laughs> C'est zin. Dazin. <laughs> Voilà, écran en baisse. Ouais, guise au le Zin. Le euh, zin, hein? Non, non. Comme on dans mon plateau aussi, hein. Ça fait quand même un bon moment. Ah oui. Qu'on s'est pas retrouvé comme ça sur le plateau de Tam Tam. Un mercredi, parler de, ah, oui. de jeunesse, littérature. Mm-hmm. Demande mon top. Billah et Abdourahman, tu sais quoi? Mm-hmm tu veux où ah. Tu veux pas où mm-hmm. Je suis dans ta vie. <laughs> je, suis, je suis ton cil qui est sous ton, tout ton œil là. Mm-hmm. <laughs> tu as compris. <laughs> Donc ça, c'est clair, On est à jamais sur oui. <laughs> Euh, la. la raw. mais tu es toute jolie. merci j'adore ton look mm. merci merci parce que justement dans mon yónni woon. waaw décoration. on dit quand tu on t'envoie faut savoir t'envoyer. ah tu as <laughs> ah, donc oui je suis allée m'envoyer bien. Mhm. dans une petite galerie qui se trouve à Dakar. galerie bi euh, un genre de mix de métissage de décoration contemporaine très bien Avec euh, tout ce qui est art africain mais hmm. tu immobilier, les c'est-à-dire chaises fauteuils euh, des bancs des hmm. tables à manger etc. avec du bois mais du bois reconditionné mais la plupart euh, des matériaux qu'on a utilisés hmm. c'est de la récupération super alors nous ci invité Fadi un jeune poète en Arbre on va dire euh, nuyu naa la di am nak dalal la ci plateau bi pour mën encourager jeunes yi melni yow ñi oser euh, mettre euh, la main à la pâte nuyu naa la. di la nuyu bi maa ngi nuyu tamit monsieur Meng ak ñi nek ci plateau ma ngi nuyu tam téléspectateurs yi ñuy seetaan. alors naka waa wa, wa terminal bi. wa terminal Saint-Joseph c'est ça. non Cour marie li non Cour ah, Sainte-Marie c'est Kawi d'accord. Nous, on leur fait un coucou. Oui, on de di nuyu xam naa ñu un may à instant bi vie. Mhm. nous nuyu sama classe en TLB. nous, ngi nuyu directeur. Je mhm. connais ak tous les professeurs. Mhm. tous les surveillants maa ngi leen di excellent nous leur rendons hommage. depuis Saint-Joseph c'était le collège hein? oui le collège ah, c'est Saint-Joseph. après Madame. à ah, Kabis. Depuis que tu le livre, tu es devenu une star voilà, voilà. <laughs> comment, voilà, comment ça se passe Non, pas vraiment, parce que ah, je ne suis ah, pas très connu quand même. <laughs> mais bon, mais écrivain, voilà. Voilà, l'homme, parce ah, que Souma ma depuis que génn gars le dañu c'est l'écrivain. <laughs> C'est l'écrivain, C'est ça c' très bien c'est super. alors euh, dañuy dem euh, seetaani la décoration. Mhm. Euh, Aïcha Touré demaloon ñu fa ñu di Tambali. da nga garaaw. xam nga da nga garaaw. trop yow Abdourahmane lu wax si yow rek. dafa am lu dess parce que xam nga nak ci pet danaan ma non Aïcha elle cartonne quoi. ah, ah mais voilà ah, mais toi moi tu le reconnais de cartonne ah, ah elle cartonne hein. ouais hmm. léegi tu veux tu veux dit ça. oui oui c'est vrai. ah bon bah. je confirme. <laughs> je confirme. gis nga rugi li ma la indi. non mais c'est magnifique. ah voilà man. xam nga buñ ñu décoration nak ba yem ci li tu es servi. Mhm. meuble ils sont forts. ils sont forts et puis euh, en fait. c'est made in Sénégal hein. mm, voilà. 100% ça m'a c'est ce qui m'a le plus euh, euh, frappé. attiré oui. parce que de madame dugg galerie déjà les couleurs. Surtout. J'ai jaay tamit dafa am yoon. waaw mhm. man ak sama caméraman bi Mohamed Ndiaye man ngi koy remercier au passage. Ah, Ligay ngeen de. voilà ñu and xam nga nuñ dañ ki rek dañu wut eh, les les meilleurs plans à à à mhm. faire et on s'est rendu compte que non seulement dañu am euh, recyclage gis na mhm. seetu bi. c'est un miroir fait avec des coris. très bien. Comment Cori, Cori, on sait très bien que c'est la première, c'était, c'était notre monnaie d'échange à l'époque. Et ça signifiait beaucoup de choses Tout pour une ancêtrie. Tout à fait. Oui, ni amna version yu barré, li ay coussin là, c'est un canapé recyclé nak. Mmh. Waouh, lo xamné dafa maguette. Comme je dis toujours, à chaque fois que je fais décoration, mmh. au lieu de sani, polluer environnement tu mmh. peux récupérer des choses et faire ça toi-même. Tout à fait. Galerie bi les lepp lu fa nek, muy bant, muy fer, ce sont des artistes sénégalais qui l'ont conçu. Mhm. d'accord donc dañuy xalaat réfléchiral ci benn concept. Mhm. store des tout ce qui est tissu. il y a des mhm. tissus donc par contre qui viennent de l'extérieur. Ah, comme le Mali, le Niger, Très bien. Euh, le Maroc, mais c'est essentiellement des pays d'Afrique. Tout à fait. Et c'est magnifique. Alors, euh, est-ce qu'ils vendent en même temps Les oui, les exposés, exposés C'est presque des pièces uniques très bien da ngay dem personnaliser sa commande su fekkee da nga romb ci showroom bi. Mhm. gis loo xam ne daf la neex. y a tout à l'heure on a vu une table en bois. bois boo xam ne c'est assez spécifique. Euh, c'est une, une, salle à manger qui, a été euh, dessinée par un designer sénégalais. Mhm. Et table, par exemple, on a commandé, et puis après, nous livrer là, etc., ça Magnifique. Abdrahman. Ouais. Faut ah, pas aller. Fille des beaux, faut douguer, neex am Oui, c'est intéressant. Et mhm. puis, euh, nga aussi, recyclage, bi, ça permet de valoriser la ben matière bo xamante dañ ko won sani wala dañ ko da fa won yok quoi. surtout ngay défarat ko. Mhm. loolu amna maintenant. J'ai vu également que les couleurs, si c'est des couleurs très chaudes parfois, des couleurs africaines, on voit, il y a beaucoup de soleil, etc. Euh, mais il y a aussi, il y une touche originalité. Oui, mhm. euh, nous personnaliser là, cette, décoration, etc. Mhm. Ce qui n'est pas très évident parce que affaire am na ñaari domaine lu wàllu euh, ci wàllu habillement. Mhm. ak walu décoration. Mhm. généralement nit ñi dañuy bëgg <laughs> nduro walé est-ce que comme ça li ma euh, à leur image quoi. non nit ñi dañuy ce qui ah, rassure moi lu xew rek am na ko voilà. rugi rassure ko am na ko am voilà. donc il faut vraiment nga am ben sens artistique bi wala nga am ben audace bi. pour ñëw xam nga. xam nga su ma ñëwoon andi ben costume bu mauve. Ah, mais tu vas sortir du plateau, grave, <laughs> clair. Mais oh, les gens sont dans le qui, quoi. Ah. Les gars, nous sommes dans un certain conformisme. Madame, l'île, le gars du sol, meuble, lui, le sol, mhm. meuble, lui, le email, etc., etc. Donc, on dirait que c'est les règles, ah, c'est déjà établi. Alors que les artistes, nous permettre un peu de briser les codes utiliser d'autres couleurs, proposer d'autres meubles, etc. Et c'est important. Et puis surtout, surtout. Euh, Sénégal léegi tu as l'impression que tous les meubles gars yi importés conteneur yeeg affaire comme ça voilà donc euh, mhm. dafay ray un peu non seulement day rey économie bi mhm. mais dafay ray aussi la créativité et puis les gens qui travaillent dans ces et ça euh, décourage aussi parce que nos artisans ils sont très forts voilà dañuy liggéey lu rafet lu mhm. deuguer nak surtout nak la qualité gis nga gis nga ki doon pensé qui euh, faire faire bi c'est un travail de longue haleine ah, absolument non seulement ça et là je rejoins Abdourahmane fi waxane on aime le conformisme c'est vrai que bon on sait que une table est rectangle Mhm. un lit carré, machin. Mhm. Et si tu veux effectivement programmer d'FC initial, Madame Diagne, sur, sur le pied mhm. de ta salle à manger, tu es libre de le faire. C'est ça cet avantage-là quand même, de ramener d'un petit artisan locaux. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que matière utilisée D'habitude, j'avais fait des décos sur le wax et tout ça. Mais j'ai vu des tissus magnifiques, made in Africa. <laughs> même le batik, on en fait. On en et le bogolan on en fait des coussins. Et ça, moi, je ne le savais pas et c'est magnifique Aïcha. alors mon aspect bi Aïcha wax mhm. donc c'est euh, les tissus qui viennent. des pays d'Afrique, du Mali, du Maroc, Kenen. Donc déjà c'est important pour moi parce que ça prouve qu'en fait, euh, melting pot bunidjel, c'est en tout cas le made in Africa, euh, moi Andy, un résultat pour Rafet parce que euh, en fait la culture, le design africain ne se limite pas au design sénégalais, donc forcément forcément culture bonnet ça euh, sa touche personnelle je pense que nous am fait. Mhm. alors j'ai juste une question Aïcha euh, quels sont les matériaux utilisés. Mais il y a euh, <laughs> alors les matériaux on respecte l'environnement. Hein? est-ce qu'il n'y a que le bois l'artisanat écologique. Eh, oui mm. tout est recyclé. après j'ai vu des tables en bois ak des tables à manger des meubles m'oublier est-ce qu'il n'y a que du bois. Ah, c'est un peu important ma xam ko ndax y' a d'autres matériaux qui sont utilisés à part le bois. ah moi des faits de décoration. Mhm. Abdourahmane ak Aïcha malheureusement Abdourahmane dafa wala Aïcha ci posé poser question. tu n'as pas remarqué. da contaminé hein ah. da lay xeex moo tax koy jox. matériaux naturels. oui mm. c'est du bois. Mm. essentiellement tout ce qui est rangement journaux mm-hmm. c'est du bois. Mm-hmm. am ne sax mais c'est du bois mort. Mhm. absolument c'est pas du bois comme dañuy dem euh, on appelle ça ah? tout ça non maintenant pourquoi tu je ah. je <laughs> c'est du bois ah. euh, uh-huh. vernis sculpté Donc, au lieu de le jeter à la casse ou le, du charbon, bon, on en fait euh, des, du mobilier de décoration. Ça plus cher de voilà. Même si voilà quoi, c'est pas la peine de que contrairement, contrairement à ce que les gens pensent, on ah ouais. dit c'est pas cher. Ah c'est pas cher. Ah. Machallah. Alors, euh, Fadilou, yow mi nga xamantene poète on peut dire que les poètes genre Abdurrahman, les littéraires ils ont une touche euh, artistique d'artiste bu mm. parce que ils ont xaw inspiration dans l'art un peu euh, yow décoration est-ce qu'il t'arrive de penser nga dugg ci wala sax nga def ko illustrer ko ci say euh, euh, recueil. oui parce que damay jéem tamit innover genre ma lis... je mën a expliquer ma jéem a. Mhm. ut loo xam day différent. Mhm. dans ma littérature. Mhm. par exemple j'essaie de trouver mon style. Pas faire comme les Hugo ou des autres écrivains. J'essaie de trouver véritablement mon style. Pour quand on lit un poème, il n'y a même pas besoin de dire que ça, c'est de la poésie. Et on va dire ça, c'est du fadilou. Mhm. Ça, c'est une, marque déposée. Absolument. Et voilà, dans la décoration aussi, je trouve mhm. que c'est assez inspirant mhm. parce que dans union dans l'Occident, Occident, alors qu'il y a de belles choses en Afrique. Tout à fait. Voilà. Il y a des femmes comme vous. Ah, merci Oh là là ah, En ce mois de la femme, ah, merci. En ce, en ce, mois de la femme aussi, il y a des femmes comme vous qui essaient d'apporter quelque chose véritablement. Et voilà, c'est à retenir et aussi à féliciter. Merci, beaucoup. <laughs> une femme inspirante. Alors, mais, est-ce que le décor, est-ce que vous êtes dans un décor particulier voilà? Ah, ça l'inspire bah, On peut dire que j'ai ma niche. Parce que faut ramener, faut que talk, du bind, mais quand même, mon parce que l'inspiration, elle vient comme ça. Mais il dit que ça peut-être dans le bus ou autre part. C'est bien il me vient une idée, après je commence à griffonner quelque chose pour ensuite la finir. Mais ça dépend. Super. <laughs> Aïcha, pour terminer. Alors, ce euh, n'est euh, c'est pas le premier numéro, décoration B. On va rentrer maintenant dans la confection carrément d'un petit atelier. Euh, la plupart des ateliers sont dans la banlieue euh, en général parce que euh, il y a beaucoup, c'est beaucoup plus, plus euh, accessible mhm. par rapport à la location, etc., à l'exploitation. Les guides Fofo, toujours Manak, mes caméramans RTS2, comme on a dit, encore plus proche de vous. Mhm. Mhm. Donc, tout tourner Fofo et pour voir comment est-ce qu'on conceptualise tout ça. Tout à fait. Et c'est magnifique. Merci. Le produit rendu est vraiment époustouflant. merci beaucoup merci à toi. <laughs> alors du ñu def lu dul euh, jëli suñu bac. Ah. daal di daal di wéyal Abdourahmane nag yooyu question yi jeex na. <laughs> non mais dama mën dolli benn affaire parce que dafa wax ben affaire bu bu bu ki quoi bu intéressante ah. conceptualise. Ah. parce que différence bi am entre artisan. Mhm. ak artiste. Mhm. l'artiste conceptualise. donne l'idée artisan moom fabriqué, na fabriquer fabriquer en série etc donc c'est important ce qu'il a dit c'est important bravo Aïcha et c'est toujours important avec Aïcha du dégg nga li ma la wax dégg wax tey def la merci Abdourahmane alors nous dem jëli suñu bàkk daal di wëyal ak univers des jeunes euh, mu suis euh, ay ndaw comme mon Milé. Ah, parfois nous avons des difficultés avec la justice. Mhm. parfois nous sommes des victimes. Mhm. Euh, nous, euh, centre Nous ne Sénégal daf ko pour que les gens nga ne soit victime quel que soit alpha c'est des victimes parce qu'il faut voir les causes. quand on a euh, on est on est délinquant mhm on a on est victime parfois yenn a que fait que victime aussi ne que violence violences Aïcha. Mm-hmm. Ah, alors pour la majorité de ces filles là elles sont victimes de maltraitance donc maltraitance c'est na viol pédophilie inceste en tout cas toute forme de violence euh, sexuelle mm-hmm. euh, des violences physiques tamit wala des enfants ils sont issus de parents divorcés ou mm-hmm. orphelins de père ou de mère euh, wala souvent les boo de ay mbokam mënuñu de téye tout simplement parce que xëy na ay ñu Tout génn àdduna donc mu centre donc c'est la seule structure au mmh. Sénégal pour mmh. euh, accueillir des jeunes filles euh, dans ces situations-là. Avec des, jeunes filles euh, en conflit avec la loi. Mmh. Donc, elles mineures quand même, de 0 à 18 ans, voilà, de 0 à 21 ans. Donc, euh, le centre polyvalent de Tiaoui. voilà donc avons ah. dem éléments. élément bi des éléments. lañu te xamul leen lu xale yi nga koy service AEMO yi ñoo ñu koy yónnee donc ci région yu Sénégal yëpp 14 régions yi nekk Sénégal yëpp les 14 coordinations nga implantées au niveau de chaque tribunal pour enfants donc xale yooyu bu ñu ñëwee donc li ñuy gën a privilégié mooy accueil bi observation bi euh, li ñuy gën a privilégié mise en œuvre projet éducatif yi nga xam ne xale bu dugg ci centre rek xale bu ci nekk rek kuy dugg rek war na am projet éducatif parce que loolu moom lay permettre pour que nga mën a suivre xale bi nga xam ne xale bi bu muy commencé di dugg ci centre bi ba mu muy génn donc euh, booy xool genre xale yooyu la ñuy euh, kii ci centre des enfants victimes aussi la diversité parents da koy dañuy tax xale yoo xam ne dañuy perturbation sur le plan psychologique les parents l'un des parents sont décédés donc euh, les enfants sont laissés à eux-mêmes donc nekk ci mbedd bi ak yooyu donc ces enfants là on récupère donc service AIMOI, yi moom mooy jéeg dayo nga mom moy def liguey nga ci ci centre par le biais donc du juge du tribunal pour enfants nga ont ñom ñoo placé centre parce que xalé yi dañu am ordonnance de garde provisoire pour les offres éducatives dañu am une section élémentaire donc CI CM2 donc euh, une section enseignement technique professionnel nga euh, y a la couture euh, la coiffure et la restauration xëy peut-être dans les perspectives pour pour augmenter les offres éducatives donc il est prévu euh, ñu ñu au moins ouvrir benn qui en sérigraphie pour les jeunes filles donc rattacher ko à la section enseignement technique professionnel pour les pour les draps parce que la section la sérigraphie aussi ça marche très bien notre yi euh, dañuy am euh, seen programme bu ñuy dérouler donc euh, programmation programme bobu ñun ñokay superviser c'est-à-dire dañ ko leen di xol di leen di bàyyi xel xol état d'avancement cours yi selon période bi ñu tolloo ci année bi. xam nga l'enfant mom c'est mouvement l'enfant mom il peut pas un enfant trop sage là c'est pas aussi on il y a les éducatrices qui sont là quand il y a problème fof la ñu dem ci on discute quoi. Euh, et souvent, on, on, se rend à domicile et on a le retour aussi avec les parents. Quoi. Très souvent, dañuy def ay coins de groupe ak ñoom dañuy def ay coins de groupe ak ñoom nga xamné fi yépp yëpp ñu ñu tok ñun ñëpp ñu waxtaan sur un sujet parfois histoire yi bari wala yenn affaire yi am ay vol wala yenn affaire yenn ben problème am nga wo leen ñu tok coin de groupe même bu dara amul aussi dañuy organiser ay coin de groupe tok waxtaan ak ñom ku ci nekk wax sa xalaat sur un sujet ak yooyu ñu jëm leen sensibiliser waat tamit ak aussi dañuy def euh, ay euh, entretien individuel dañuy def entretien individuel ak euh, ak les filles début d'année, il y avait 4 ou 5 qui ne savaient pas lire. Carrément, ils ne savaient pas lire. Ouais, SM2, ça arrive. Parce que les gosses ne viennent tous, n'ont pas tous commencé ici. Mais maintenant, tout le monde lit. Il y a un bulletin premier semestre, temps deuxième semestre. Euh, mooy bulletin bi moom mooy euh, décider euh, avance kii passage xale bi en classe supérieur depuis 2004 ma nekk fi bon façon mineur bu nekk daje naa fi ak moom yàlla def nañu am na si ñoo xam ne fii lañ nekkoon mujj gi di am nañu jëkkër ba dem sëyi mais après bu ñu demee nag ba génn nag ci la ñuy doogee xam ne que lii. dañ leen doon teg ci yoon doom bu jigéen boo ko amee da nga ko war a yar parce que fii dañ leen fi indi pour rééduquer loolu la ñu wax boo wàccee yoon da nga koy wanaatu yoon ni ko nii la nii la nii la parce que boo sooraale ëllëg danga war a am jëkkër dem sëyi nga nekk mère de famille da war a déglu li day wax yëpp. ñoom boo leen di redressé ci comportement bi nga leen di redressé parce que sa comportement moom mooy moom mooy moom mooy déraillé daal. te dañ leen war a tegaat ci raay wan leen ni nii la nële la nii la nële la aicha c'est émouvant hein. ñu nek ay ndaw nek ay jigen en ce mois de la femme. ñu ngi leen di rendre hommage ñom itam di len ñaanal yalla rek insertion bi dal di don lu définitive lo xamne ne dina tax ñu dess ci seen i njaboot. donc comme ñu ko waxee ñu don ay jeunes filles donc gis na len xëy na ni mu démé caméra bi motax mënu ñu len wane mais il y' a euh, pas mal de jeunes filles foofu donc ñu nek ci internat bi donc il faut dire que c'est c'est assez émouvant. Mmh. donc boo len gisee déjà da nga len di gis am na ñoo ni elles ne sont pas encore stables mhm. donc on xam histoire mais bon comme on a dit c'est des filles forcément qui ont été victimes qui sont bien famille donc souvent on a rencontre des rencontrer difficultés à parce qu'on surtout que c'est des filles adolescentes donc pour les filles de enfin en situation de conflit avec la loi donc c'est jusqu'à 18 ans euh, pour euh, les filles victimes donc c'est jusqu'à l'âge de 21 ans. donc mën na dem ci lañ leen di héberger c'est-à-dire bu plus duñ leen mën donc en cas peut-être de force majeure le leen di jël au-delà peut-être un an ou deux, deux ans un peu plus bu fekkee ni peut-être euh, li ñuy jàng dañu redoubler wala yu demee noonu. Mm, mm-hmm. parce que am cycle bu ñu ngi c'est wax sànq CI ba 2 donc c'est pour tout le monde c'est pour même xale bu ñëw mën nañ ko inscrire ci école bi góor comme Jigen. très bien loolu mooy école bi c'est l'élémentaire. Mm. mais pour euh, li nga xam couture coiffure et restauration c'est que pour les filles. Mm. donc AMO mo leen di yóbbu euh, ci li nga xam ne ne moom mooy centre boobu noonu donc ci bi ñuy dem ci AMO ci lañuy mm. choisir la lañ bëgg. dëgg la suivre. donc bu ñu demee ñu suivre ko pendant trois ans. du mm-hmm. ko wees à moins que ñu redoubler wala yu demee noonu. donc après euh, ñu continuer euh, foofu noonu nekk ci internat bi aussi. très bien mais jàng bi lan la. jàng métier la. Mm-hmm. wala wala jàng école normale. d'accord alors ça dépend bu fekkee dañu ñëw ci âge bi nga xam ne dañu war a jàng ci <laughs> élémentaire. dañuy mm-hmm. jàng élémentaire. Mm-hmm. dem ba CM2. légui au delà de la classe de sem 2 ci la def couture. Mm. coiffure wala restauration ñom ñooy tànn. donc boudé couture. Mm-hmm. c' est d' abord la théorie après mm-hmm. la pratique dañuy ñaw. bu dee coiffure ay létt la yu ma gis na fa ay xalé yu jigéen ñuy lettante seen biir exactement donc ñuy lettante out mèche ça dépend ci emploi du temps wala maquillage diko jang euh boudé restauration dañuy am tamit emploi du temps lan la ñuy togg tay mm. bu dee dañuy roussi wala ñuy démé non ñu duggal xalé ci euh, waañ bi gis na sauce bu neex fofu de li lan la lu neex wa waa ceebu je pense ceebu jën lañ doon togg ah. ah, ah fàtte sax. ñu lu bi de moom waa ñu bu neex mais <laughs> euh, voilà mi ngi noonu donc. c'est une euh, parenthèse hein. mi ngi noonu donc euh, di di di wax ni xana ko gi ah donc juste. balaa ma lay bàyyi nga yeggali ñu gën a bàyyi xel xale yi ah, gis naa fa ñoo xam ne ni nga leen di gis ñu nekk ay xale yu ndaw mhm. donc je sais que peut-être doo xam lépp mais da nga xam ne ni am nañ ay problème te mënuñu fa nekk tout le temps ils pas, elles ne peuvent pas plutôt rester là-bas tout le, tout tout le temps. Mhm. Donc, euh, à un moment donné, il faut que nous quittions nos bails. Donc, euh, il faut que nous nos bails. Nous nos bails. Aïcha, ce sont des filles. Hein? Euh, ku on jigéen nekk yaay c'est parfois difficile d'éduquer surtout à cet âge-là l'adolescence wala le egg c'est très difficile oui euh, non seulement c'est difficile mais il faudrait savoir que phénomène de délinquance. surtout aussi dans une société comme la nôtre c'est assez mal vu. déjà euh, mm. être une femme. déjà mm-hmm. c'est pas évident on est dans le mois de la femme. on est en train de se battre pour certaines certains de nos droits. mais euh, des femmes délinquance. un mm-hmm. vagabondage. C'est une mm. société une société bi nag ce lay ah su ça euh, wala précarité bi. wala pauvreté ni tontu <laughs> loolu yëpp c'est des c'est des euh, des aspects yo la société est en train de entre parenthèses fabriquer. absolument un genre de délinquance juvénile. Mm-hmm. Euh, la société fabrique aussi parce que les parents sont divorcés de mm-hmm. nous supporter séparation C'est n'importe c'est vrai. Et, ça, ça peut être. Traumatisme, hein. Si, si, les médecins, les psychologues mm, mm, mm. l'ont prouvé que des nek lo xamné day déstabiliser pour pour montrer au à ses parents voilà à sa famille que mom monde, nek lu important ci famille bi mm-hmm. il va attirer l'attention exactement Et là, le moins indi euh, délinquance juvénile délinquance vous voulez, Abdourahmane oui euh, euh sujet bi dina ci parce que déjà bon mais je sais pas que ne am na centre yoo xamante c'est spécialement dédié à ça donc bravo Aïcha. si si si ouais. parce que man c'est euh, seen i éléments rek fu ne la ñuy dugg. seen liggéey liggéey bi am solo parce que man euh, ñi ma xam ñu koy def ay ONG lañu. waaw voilà ONG am na Guédiawaye euh, mm-hmm. Maison Rose mais bii yëmbal. Thiaroye Thiaroye waaw c'est près de mm-hmm. Thiaroye. Mm-hmm. mosuma xam ne donc ay structure yoo xamante il faut que état bi gën leen a dooleel. tout à fait parce que dañu nekk ñun société de transition maanaam dañuy jógee ci mode euh, ci tradition jógee ci ci modernité. surtout femmes yi dañuy assumer seen droit dañuy gën di jàng. suñu maam yi daan suñu maam yi daan nangu suñu maam yi daan nangu. Mm-hmm. voilà xëy suba 6 heures du matin dem reetu dox. yooyu amatul femme yi avant donc ça veut dire que. am na y a des enfants divorcés de divor de mm-hmm. couple divorcé loolu day mm-hmm. gën di yokk dans la société. tout à fait ça va avec. parce que ñun fi yeneen société yi jaar rek ñun fa la ñuy jaar c'est vrai avec la modernisation y a des conséquences. tout à fait parce que femmes dañuy revendiquer Qu'est-ce que demee tey. Mm-hmm. Mm-hmm. lu des le taux de divorce yi nga phénomène mm-hmm. les femmes demandent de plus en plus le divorce. parce que d'autres nangu. ku leen les maltraités, ku etc. surtout donc voilà voilà. donc euh, et il y a beaucoup pour revenir sur la littérature il y a beaucoup d'écrivains qui ont parlé de l'enfance en souffrance l'enfance exploité comme Charles Dickens bi ce société buy jàll ci une étape de modernité dafay am ay voilà inégalité donc il faut que état bi parce que yu accueillir les plus vulnérables mhm, parce que avant dans la société euh, traditionnelle ce' mhm. dom dom dëkk bi la en charge absolument ce n'est plus le cas dans nos sociétés donc fragilité yi day donc il faut ñu gën ci bàyyi xel donc moo initiative bu bu bu rafet la. bu voilà jangal xalé yi. aussi il faut ñu bàyyi ci euh, xel. voilà quoi warna vraiment mëna am. ay ay fondation ay euh, yu jàppale genre centre yu melni quoi quoi. Mhm. absolument Euh, ma doon le thème de cette année mi nga xamante mi ngi l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable euh, impliquer bu baax les femmes et les jeunes filles mhm. sur euh, li nga xamné dans la lutte pour l'environnement et alors euh, ma vais mm. lancer un clin d'œil parce que mm. tamit euh, jeune que ce soit des garçons ou des filles parfois des soucis mm. avec être victime de violence ou sax ñu am conflit ak la loi <laughs> <laughs> Ah, c'est mon aîné aussi quand même. Ah, d'accord. C'est mon aîné. Comme Badian Aïcha. C'est mm. Aïcha. <laughs> Tatarugi. <laughs> Mais quand même, affaire bi xaw ma mm-hmm. Franchement, c'est une bonne initiative quand même. Absolument. C'est une bonne initiative. Mm-hmm. Te vraiment j'ai que 19 ans. Mm-hmm. te ce sont mes semblables ay xale yu jigéen yoo dañu nek si maltraitance wala si conditions yo xamné ne rafetul. góor yi comme man su ma nekkoon dañ ne maan peut-être ma dem nekk taalibe parce que taalibe yi bari nañ fi. Mhm. mais on parle pas franchement de la femme. Mhm. du ñu xam jigéen ñi ñoom fu ñuy dugg ak ñoom ñuy dund. et vraiment c'est quelque chose à féliciter. merci beaucoup je te félicite euh, maa ngi féliciter Aïcha looy tëjee rek. alors lu may tëjee dama fàtte woon wax ni dañuy dañ leen di jàngal ay les tâches ménagères. Mhm. donc la directrice a insisté amul ay tëdd nooy elles ne sont pas à l'hôtel. Ah dañuy dëbb noqos bale fobee rek ñu demee noonu. donc également euh, euh, couture coiffure restauration bi dañu am ay concours d'état ah d'accord yoo xam ne dañ koy def CAP d'état. très bien après bu ñu gagné ñu jox leen ay ça dépend bu dee euh, quiz euh, restauration manager cuisinière ak yooyu mettre dans de bonnes hmm. conditions pour cette formation professionnelle. tout à fait donc euh, voilà donc mu que euh, entre autres daal yi nga xam ne dañ leen dañ leen koy leur <laughs> insertion dans la vie sociale une fois que nous gagnons. foofu les ngi lay jaajëfal bu pour ce reportage c'était vraiment magnifique dañuy jëliwaat de bi dellu si dugg nag ci Abdourahmane ak littérature. Nous ko waxé littérature tay ñi waxtané euh, avec un jeune euh, poète nga xamné euh, rek jambar la parce que mhm. malgré qu'il est en classe de de de terminale mhm. mi ngi activé wu bu baaxa a baax ci littérature mhm. bind recueil de poèmes, bi nga xamante ne mom moom la ñuy Abdourahmane oui effectivement Mohamedou Fadilou Meng. donc voilà et mu bind les mots de mon cœur aux éditions Jour et Nuit alors ma donne ben recueil de poèmes alors comme comme pouvons ko euh, souligné tu as tu as tu as 19 ans. Mm. c'est ton premier recueil de poèmes. alors euh, comment nan nga en fait parce que ça c'est ma première question. est-ce que y poèmes yoo bind depuis longtemps Ou alors, voilà c'est venu comme ça comment ça s'est passé. bon moi, je suis un grand amoureux de la littérature. Mm-hmm. Ouais. yàgg a commencé Binde depuis enfant mais bon je me suis sérieusement mis l'année dernière. oui vers novembre, quelque chose comme ça, et j'ai commencé à écrire. Mhm. Il y a des poèmes que j'ai écrits pendant que j'avais près de 15 ans, il y a 3, 4 ans, mhm. mais bon, la majeure partie, c'était vers novembre jusqu'à maintenant que mhm. j'ai écrit cela. Et aussi, il y, a, aussi quelques conditions qui ont fait que j'ai écrit le livre, parce que j'étais, ces vacances de Noël, j'étais un peu malade. Vacances Voilà. J'avais aussi un peu de temps. Si je mettais de beau c'est là. Parce que non, là, j'ai l'inspiration. Nahar on l'a j'ai l'inspiration de binder recueil bi bi ma mhm. j'avais un peu de temps de mon école mhm. ma commencé à di binder. di à ba affaire yu mat après quand on a eu les 30, on xaru ñu génn ka équipe mhm. équipe jour et nuit que je salue aussi oui équipe jour et nuit de du professeur Waliba oui euh, monsieur Waliba monsieur Waliba mais euh, parce que y a beaucoup de jeunes yu binder en réalité dafa am ku nekk ci ginnaaw di leen jàppale est-ce que c'est réellement le cas pour toi ou wala a que bind réellement est-ce que voilà ton prof de français ne t'a pas <laughs> euh, coaché un peu coaché un peu voilà est-ce que tu as un coach voilà. Mhm. non je mon mun maa ko bind mhm. mais bi ma je suis ko après mhm. dama ko dit les bi maison d'édition correction. voilà pour la correction maintenant la correction a pris deux mois parce que le recueil est assez

choisi ce thème là. su ma rek après mënta ma bind ko. Mhm. alors euh, Abdourahmane de ben passage rek nga mën ñu jox ben passage bo xamné ci biir euh, kii bi ben poème bo xamné euh dinañu inspirer ñun tamit ñu dugg euh, ci biir ci biir ci biir œuvre bi. ci biir œuvre waaw. oui relation compliquée. Hmm. Mhm. il s'agit de la de la tienne. oui une relation compliquée parce que tempo thème poème c'est la uh-huh. souffrance. c'est la souffrance pour souffrance, la souffrance, vous en ok. rejet. rejet de la société rejet de l'amour. très bien mais aussi comme mais l'amour aussi ah. c'est compliqué hein. ah, ah mais vraiment. Hmm. Mandé, j'aimerais bien c'est une histoire euh, personnelle ou bien non. Hmm? t'es inspiré d'eux D'un de ma vie, oui, je me suis inspiré beaucoup de ma vie. Très mhm. bien. Parce que j'utilise aussi le pronom je, véritablement. Mhm. Mhm. Son vie l'a inspiré pour Bindeko. Ok. Je ne vis pas dans votre monde. Le mien est compliqué. Qu'ai-je donc raté pour qu'elle pour qu'elle me soit ôtée Je ne comprends pas ce monde, je ne vois pas vos ondes. Elle demeure inaccessible pendant le temps d'une éternité. Alors, euh, mm. moi, les jeunes de ton âge que je connais, il me parle de football. J'allais poser la question. De Paris Foot. Attends, ah, ah, ah, Pour ne pas dire le nom. Non, non, t'as pas dit le nom. Je devais pas dire ça. Non, non, Mokhe, ça. Ah, Mokhé, voilà. voilà. Alors, il me parle de. Après, nous avons petit Khalei, quoi, tu vois. Non, il y a un programme, ça. Voilà, voilà. le digital, ça, nak. Voilà, WhatsApp, euh, Instagram. Euh, avec le digital. Est-ce que toi, c'est ça ton monde ou tu es à part Non. Il est dans les deux Il est dans le Ah, je suis un peu à part. Ah, ah, ah. quand même je suis un jeune j'aime bien profiter comme Nico, football déjà mhm. mais bon moi ne je suis pas dans un monde je préfère être dans ma bulle comme on dit. tu es dans ta bulle voilà je mhm. préfère être seul. Mhm. écrire me divertir. seul parce que tu xarit je suis un jeune, mais. je compliqué très bien C'est noonu livre. d'accord Aïcha. oui je suis en train de noter quelque chose. parce que toi là ton affaire n'est pas clé. toi. <laughs> a baal xale My ah, d'office alors moi ce qui m'a impressionné quand même euh. au-delà du fait que Dafon est euh, un jeune homme uh-huh. euh, tu es en classe de terminale uh-huh. Uh-huh. et tu es un grand écrivain parce que tu as de l'avenir comment tu arrives à allier le fait d'être dans une classe d'examen le bac c'est bientôt et l'écriture des poèmes même je si je sais que c'est des inspirations qui t'arrivent de temps en temps mais en même temps y a da ngay et tout ça oh, école mhm. demain damay l'on loolu moom ah mais j'espère hein. ici là on ne reçoit pas les gens qui n'ont pas bonne note non j'ai des bonnes notes L'on vous en faites pas pour ça. en français. très bien. <laughs> en tout cas xam il a une belle plume. oui euh, Aïcha. Ah. mais bon inspiration bi su ñëwee tamit ah. man yàlla daf ma may ma am quelques facilités parce que su muy bind point bu tamit mm. day xaw a yomb si man. d'accord rime yi ñooy xaw a métti tuuti ma koy seet mais li des moom assez facile. alors ñu ñëw ci Aïcha Sarr. alors man euh, euh, déjà c'est un jeune à féliciter dama lay féliciter sànq maa ngi la koy wax il est à mm-hmm. encourager tamit. Mm-hmm. Euh, benn question laa la bëgg a laaj mooy qu'est-ce qui a été le déclic en fait lan moo tax lan moo la bind loo lan moo en fait c'est quoi le déclic en fait. Qu'est-ce qui a fait que je vais parler de ça Parce que tu as dit tout à l'heure que tu parles de, de tes souffrances. Enfin, mm -hmm. le, le, thème général, c'est souffrance et rejet. Mm. Euh, quelle souffrance Voilà, bonne rejet, nga dundu mo waral nga bind tay euh, euh, œuvre bi. Euh, ah, man mo. Bi la gëna marqué wala bi gëna metti ci yow. Li marqué mom bari na, comme ni ma la ko won sank rek, mënu adina mom marqué. Mm. Parce que àddina tamit am na loo xam dafa xaw sombre le xaw a mm-hmm. obscur mm-hmm. te nit ñi duñ ko wax parce que c'est bien beau de dire que tout va bien voilà à 19 ans 19 mm-hmm. ans j'ose le faire et je, je... Il a voilà. Il a l'air d'avoir Alors, Abdurrahman, on avance euh, euh, avec l'autre invité. Je te laisse finir. Ouais. Et puis. Euh, je dois finir. Je libère Ah. Wow. Comment finir <laughs> Grosse wow, question littérature. Hein. <laughs> Eh, mais mais, mais qu'est-ce que tu lis Moi, j'aimerais bien que tu. lis Que tu, que tu un peu. <laughs> Comment faire aussi pour euh, pousser les jeunes comme toi pour lire damay boole question yëpp et puis après. non amul question pas de oui ma Fadilou <laughs> tontu question boobu nga tàggatoo. dinañu amaat beneen temps. ñu dalal la fi ñu gën a yaatal waxtaan bi. non non vas-y vas-y des bonnes questions là, tontu. qu'est-ce que tu lis habituellement. voilà moi habituellement. Euh, je lis quelques romans. la poésie je je préfère pas parce que après daf may impacter sur je lis quelques romans par-ci par-là. quel auteur par exemple voilà. J'aime bien Hugo. J'aime bien. Mais je préfère les œuvres philosophiques. Ok, les œuvres philosophiques. Voilà. D'accord. Moi, le monde, je suis bien philosophique. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Mhm. Je lis mes mots, je connais mes mots. Il y a beaucoup euh, Est-ce qu'on ne va pas continuer avec Fadelou Comme ça, la semaine prochaine, on aura. Euh, on va euh, garder Maggie euh, pour qu'elle ait plus de temps. Oui, Maggie. Non, j'ai que je t'aime. Tu lui as donné le choix. Hein? Magui, eh, eh, aujourd'hui. Magui, elle est OK. Magui, elle est OK. Donc, Fadilou, on va revenir. Encore une fois, merci beaucoup. Les mots de mon cœur. Mohamed Fadilou Diop, 19 euh, <laughs> euh, ans. Merci Abdourahmane. Voilà, merci <laughs> beaucoup. tu as fait ton choix, Merci. <laughs> Alors, voulons euh, remercier de le féliciter aussi, hein. mm. bon vent dans ta future carrière de poète. D'ailleurs, continuer. Grand corps malade, c'est un légui de la journaliste et euh, poète slameuse euh, Magui. Magui, est lay nuyu di la dalal ci plateau Tam Tam. maa est lay fay bu baax di kontaan di mhm. merci beaucoup. alors Magui, elle est poète elle est slameuse elle est journaliste euh, pourquoi toutes ces facette de Magui. bon disons que Ben génn ci euh, ci walum communication. Mhm. parce que à la base passion bi euh, c'est le fait de passer des messages. Mhm. voilà à travers euh, différents styles peut-être de différents métiers aussi mais les ci mu ngi tënk ci walum wax ak jotali exactement Abdourahmane Magui. day participer bu à la lutte contre les violences faites aux femmes. oui 8 mars journée internationale pour les droits des femmes alors. nan nga ko célébrer yow journée mondiale bi. bon euh, déjà. Euh... ça m'a fait plaisir de gis ay nit di dugal si euh, tout surtout euh, surtout di wax ci jigéen di wax ci euh, màggaayu jigéen mais man personnellement defuma benn activité ben activité ne mën naa ne lii moom laa célébrer parce que pour man chaque jour c'est la c'est la journée de la femme et ci li may faral di wax à chaque fois qu'il y a un événement mhm. je dis c'est bien beau mhm. que ñu jël ben bus consacré ko dara ku mhm. nekk def ci benn activité ku nekk xeex ci sa wàll mais pour man li gën mooy chaque jour nga dëkkal di def loo xamante ne moom mooy taaral kooku noonu wala affaire boobu noonu ngay voilà donc pour pour ce n'est pas qu'une question d'une journée mhm. mais chaque jour je suis là pour la femme chaque combat comme dans les ci combat beaucoup, de concret pour cette année pour cette année j'ai mhm. participé à des émissions très bien donc à travers ma voix j'ai sensibilisé mhm. voilà j'ai sensibilisé j'ai euh, euh, déclamé des textes donc euh, pour arrêter la violence faite contre la femme voilà donc pourquoi ce nom si frappant ça fait frissonner en fait. Comment De d'amour. J'ai pas j'ai pas la question la question. Alors, Mané, pourquoi ce slam là mhm. destiné à qui Ce slam est destiné à toutes les femmes, mais d'abord aux hommes avant les femmes. D'accord. Parce que ñom ñom pour des occasions de, occasions. Mhm. Euh, on dit que la femme est un peu diaphane je suis d'accord on n'a pas cette force physique là à voir nit mën mhm. mais on est plus forte mentalement. Mhm. loolu ñu bëri duñ koy faral di di tout à fait parce que dañuy àttan loo xamante parfois sax góor duñ mhm. C'est parce que moralement on est on est plus préparé peut-être par la société à être euh, voilà euh, à être des mères à être des sœurs. donc on est on est très forte. on est on a le sens de la responsabilité. donc li ñu des waxal peut-être quelque part c'est les hommes. pour que nous gën nous demander, pour que nous gën am ouverture pour que ñu gën a di bàyyi xel jigéen ñi bu baax a baax ci lu bari que ce soit dans le milieu professionnel ou amical et entre autres dëgg la Abdourahmane euh, heure bi nag daf ñu xoj tey parce que li mu demee la dama lay bàyyi nga terminer ak moom elle va elle va nous faire un slam bien sûr dinañu buy tëj léegi ma question mooy est-ce que jàppaloo le fait que ñu def ko benn genre fête oui est-ce que nekkul loolu dafa war a nëbb te alors que lutte la en fait militante yow militante nga am na ñoo xam ne dañ naan na xeex la du fête parce que li ñu war wax duñ ko wax dañuy mettre l'accent sur nduro waale yi. sur rafet a fait des émissions. mais est-ce que perte du sens bi ko jox. Mm. est-ce qu'on est un peu entraîné est-ce que duñ ko oui réellement parce que gis naa ci sax ay blagues euh, en BD. yo xamantene dañ nan dañ jox journée bi rek juste pour que ngeen ngeen sentir sen bop un peu avec flatter votre ego quoi en quelque sorte. et euh, pour man. c'est vrai quelque part c'est vrai. quelque part c'est vrai parce que à la base c'était pas pour que nous ànd du tàccu di fecc. à la base c'était pour qu'on revendique des choses. <laughs> voilà la ñoo xatal tali et tout. mais ça leur fait plaisir d'accord. mais euh, mën nañu chaque année chaque 8 mars def une évaluation. Mm-hmm. parce que loolu les aussi. di 8 mars 8 mars quest ce qu'on a demandé et qu'on a mm-hmm. obtenu. Mm-hmm. est ce qu'on a eu gain de cause ou pas. parce qu'à chaque fois il faut que ñu teg ben pas ci kanam. aussi mais c'est n'est pas comme si c'était un éternel euh, c'est une. recommencement C'est une rediffusion voilà. année à chaque année on fait la même chose se retrouve, on danse, on nous donne de l'argent, surtout dans les entreprises. dem Talk talk dem et tout. c'était comme si on nous a RTS voilà formation une session de formation sur le genre. couronnée d'une belle fête. merci à la direction générale et à tout le personnel de la RTS. Mhm. alors Ab euh, Abdourahmane dire na tàkk ça la la rapidement. <laughs> Ah <laughs> Euh, euh, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau de nous retrouver à nouveau euh, plateau Tom vous vous donc je remercier Abdourahmane. ok remercier invités remercier Rougi, mhm. Aïcha Touré je remercier téléspectateurs spectateurs émission Tom merci à la prochaine Inch'Allah yaay mujjee yow waaw maa mujjee yow bàyyi ko du tàggatoo Rougui merci waay euh, c'était un plaisir comme d'habitude de partager avec vous le plateau Nous les remercier suñu suñu invité yu xaré yi mhm. di len di jox dig daje samedi je dis toujours samedi vendredi pour euh, Tam Tam affairage très bien Abdourahmane wa di remercier ñi nga xamanté ne ñoon dañ seetaan defal n'ank. bu <laughs> ko perturbé laisse-le Aïcha ah, mais je suis obligé d'accélérer. Voilà, et puis voilà, de remercier tout le monde. Uh-huh. Fadilou, de remercier, de rappeler Mohamed Fadilou Diop, le tout à mots, les mots de son cœur. Ouais. Uh-huh. Et puis euh, les mots de mon cœur, Mohamed Fadilou Diop, mm -hmm. 19 ans seulement. Mm -hmm. Beaucoup de talent. Tout à fait. Et puis, euh, dernière question. Dans les milieu du islam. Magigen, ma baille la gataga to. Merci. Non, elle va revenir. Merci beaucoup merci je réponds à la question bien d'accord d'accord donc euh, c'est pas très difficile euh, disons parce que nous ne sommes pas très nombreuses dans le milieu du slam et également le milieu du slam est un milieu assez ouvert peut-être un peu différent si j'ose le dire des autres milieux artistiques parce que ñun euh, slam da ngay dans uh-huh. je profite du passage pour remercier des personnes comme Jawrin comme Maïssa Mara d'autres personnes qui ils sont dans le slam uh-huh. mais ça, à unique mu nekk koo xamante ne uh-huh. à travers des collectifs à travers des ateliers de formation juste pour pour que à l'aise dans le milieu et que tout le monde puisse euh, en profiter. Comme on dit, c'est le slam qui gagne. Absolument. Alors, euh, merci à vous, euh, chers téléspectateurs, d'avoir suivi Tam Tam. Ça vous a fait plaisir. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne. Mabaye Magui, il faut que Aïcha, Merci beaucoup. À demain. D'accord. Il n'a pas voulu toquer. Il a préféré forcer l'entrée, arracher le poignet, malfrat, ma foi, il n'a pas porté des gants. Il y est allé à fond, ignorant les larmes, les pleurs, les implores. Il n'a pas voulu demander, quémander, marchander ce qui, dans ses pensées tordues de droit, lui revenait. Les cris de cette chambre noire, le refrain de ma chanson. Ah! Chanson ne peut-être douce. C'est un message de secours, un appel à la rescousse parce que trop loin, oui, trop loin, ils ont poussé le bouchon. Il n'a pas cherché la tendresse, pas de douceur, pas de caresse. Il a déchiré l'estime, l'espoir de sa conquise jamais soumise à cet amour si agressif. Il est parti dans l'ombre avec l'acheter, Il n'a jamais voulu acheter, marchander, demander, quémander ce qui, dans ses pensées, de droit, oui, lui revenait les cris de cette chambre noire, le refrain de ma chanson. Ah! cette chanson ne peut être douce. C'est un message de secours, un appel à la rescousse, parce que trop loin, oui, trop loin, ils ont poussé ce bouchon. Il est parti dans l'ombre avec lâcheté, emportant sa tranquillité avalanche, avalanche sur la route rouge jamais fredonnée parti dans l'ombre avec lâcheté, emportant à jamais, oui, à jamais, sa tranquillité ses cris, ses pleurs, tout ce qu'elle a ressenti, englouti, et quand elle trouve enfin la force, la jungle des avis rend son vin plus corse, des pensées de tourments, quelques doses de calomnie, et puis... Bravo. Excellent. Merci beaucoup. Pour Maggie. Merci Maggie. Merci, merci, merci. merci. <laughs> C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous.